avec cinq pays. La Mauritanie, le Mali, la Gambie, la Guinée-Bissau, Et la Mauritanie. Tamba symbolise l'intégration. Tamba symbolise l'ouverture. Tamba est le Sénégal en miniature. Tamba est l'Afrique de l'Ouest en miniature. Parler de monnaie locale, alors que nous devons aller à l'intégration j'ai eu peur. Heureusement, heureusement, heureusement, ils ont changé. Ils ont abandonné cette piste. C'est dire à l'inexpérience, à l'incompétence, ils associent le manque de sérieux. Réo changé programme kooku day wone ni xamoo foo jëm bu ko sax et leur objectif c'est en réalité de désintégrer le Sénégal ta Sénégal ay morceaux dégg naa tey sax léegi dañuy toxal capital yobou ko feneen il commence à devenir un danger en votant pour l'expérience, en votant pour la suite du plan Sénégal émergent. Vision généreuse du président Macky Sall. Je sais que Tamba est préoccupé par son hôpital. Maître Sidiki Kaba, on en a souvent parlé. entreprise bi ko war a def na président Macky Sall lu wax da koy def Sidiki bokk na ci dossier yi ma la bàyyi ci kaw tàmbali xam nga ni fii ak ñaari weer liggéey boobu day tàmbali dégg na ñiy wax raay ñooñu dañoo gëj a doxantu dañoo gëj tukki Parce que le train de marchandises siffle déjà ici. Vous êtes témoin. Le train de voyageurs va bientôt arriver. Matagalenti. La koy defar. La koy il lay defar L'a quoi signé nañ ko kon continuer li dafay doon lu jaadu dégg na la ñuy wax port sec mais il faut le dire que le port sec ñoom campagne électorale da xool rek lu la neex nga rangale mais lii laay def lii laay def lii laay def réew lu sérieux la lu ñëpp bokk lu ñëpp bokk boo koy sàkku da ngay wax askan wi lu taxaw da ngay wax askan wi lu leer bàyyi naxaate yi surtout bu nekkee yàq rek moo la tax a jóg seen mobilisation détermination. Oui, je veux être le président de l'emploi des jeunes. Avec le plan c'est un million d'emplois. Un million d'emplois qui seront réalisés durant ce quinquennat. L'imabug, moi, je suis ci loolu rek laa bëgg ndax laata am lu mu àttan réew mu nekk dafa am lu fa war a lu mu war a jaaree boo ko xamulee nag dangay wax loo xam ni boroom xam-xam yi buñ ko déggee Le président Macky Sall a créé au moins 600 000 emplois. L'Iwour, on va aller à 1 million d'emplois. On l'a donné, Djamoudjou Motsek. Nous l'avons dit. qui juin production production pétrole à gaz de qui ci le Sénégal je peux vous dire avec ces richesses additionnelles et la consolidation de nos acquis l'émergence est pour 2030 je m'y engage mu d u g u j i gi am na nag loo xam ni dañ koy bokk du ma ko b a y y i ak yow n e na s'il vous plaît nana, politique d'emploi pour les jeunes mais dit mais maintenant, nous avons beaucoup lu bari on s'appelle voisin depuis 2014 ñun ñooy pas remplacé ministère des affaires étrangères Moi me remplacé premier ministre Sidiki le pays a besoin de vous le pays a besoin des fils de Tambakouna. le pays a besoin des enfants de Makissal. je vous ai a besoin de vous. a besoin de Sidiki. Le pays a besoin de Sidiki. Le président Macky vous fait confiance. Alors vous avez toute ma confiance, mon amitié et ma sympathie. Merci. mooy Sidiki maag moom pacte bu yàgg la président Macky Sall gën ko dëgëral kon maag moom démb tey ak suba ñoo ànd pour jigéen ñi déclaration de politique générale dossier yi bare Littéré banque B. banque B, avril avril liggéey boobu am naa ci seede Pape Amadou Sarr xam na li may wax bu baax a baax liggéey nañ ci juróomi at banque boobu dañoo bëgg xaalisu immigré yi di fa jaar ñu mën di lebal jigéen ñi Sidiki il faut que ñu am ay jigéen ñu am alal il faut que nous ayons ay jigéen ñoo xam des ci seen ndax des il faut que financement yi gën bari nano crédit mais faut donner des financements de plusieurs millions pour permettre aux femmes d'être de véritables actrices de développement. C'est ça l'ambition que nous avons pour le Sénégal. dese na ma mag ñi nag xam nga mag ñi moom ku am juróom benn fukki at ak doole mën naa bañ a bari ñooñu dañ leen di wutal retraite jëlee ko ci bourse de sécurité familiale nous porter la bourse à 500 000 150 000 pour aux personnes ayant plus de 65 ans et ne bénéficiant pas de pension de retraite L'Union moi moi mooy ci dit, être le président de la République du Sénégal oui mais je veux être le président des Sénégalais que sénégalais bu Sénégalais ci biir këram xol li muy dundee travailler sur les prix oui mais permettre aux sénégalais d'avoir des revenus pour vivre de manière beaucoup plus décente la pauvreté ne doit plus exister au Sénégal c'est ça mon ambition et c'est ça l'ambition que nous partageons et c'est ça l'ambition qu'il y a dans la vision du président Macky Sall à travers le plan Sénégal émergent et que nous allons mettre en œuvre. Nous allons consolider, oui. Nous allons renforcer. Nous irons plus vite, encore plus vite. Parce que l'on le Khalé Sokhla, l'on le le Sénégal le Sénégal, à l'image des dragons d'Asie, doit être un pays solide. Nous avons déjà des institutions robustes que nous renforcerons. Ce n'est jamais assez. Il faut toujours consolider. président Macky Sall en a beaucoup Sénégal coono daf fiy jóge loolu rek mooy sama yitte loolu rek mooy sama yitte bokk ñoo ñi nga xam ni dañuy wax loo xam ni teguñu ko ci dara déedéet C'est Sidiki, dans cette région, on nous a parlé lors des visites présidentielles des problèmes d'eau. wax Tikanamoua ci Tikanamoua waa Tambacounda ci kanam waa Sénégal juin juin 2024, juin 2025 juin 2026 Bonjour amati doomu Sénégal buy Sénégal. fo xamni amul courant amul ndox Lolo tax je vais être le président des Sénégalais J'ai appris à ses côtés à aller vite. Je chercherai à aller très vite, Sidiki, et on sera ensemble. Merci. bandiraɓe on jarama mbiɗa yettumon mi juuromon feewi on jooɗini sidiki mi haali ɗum jinmon famille.

m'excuser auprès des populations de Bakel, de Goudiri et de Kidira. Pour l'étape de Bakel, les contraintes devant me permettre d'être là leur présenter mes excuses. Je sais que les responsables de Bakel sont là. À Goudiri comme à Kidia. Voilà. dina fa dem Goudiri ak Kidira teeru bi ñu fa defal delloowu ma leen njukkal mooy ndax na de Kidira maa ngi leen di baal baax a baax kii dana fa ñëw waxtaan ak yéen moom benn lañu ñun équipe la ñuy liggéeyee lu may def rek moom mën na ko def mën na ko sax gën a rafetal maa ngi leen di sant di leen gërëm ngeen bañ a fàtte ngeen bañ أنا بلجاني أنا بلجاني أنا دابا بقى لي جون لا مين هاك فيه بوميري جوغي تفر خد منو يا جون bu ngeen xëddee ba pare ngeen dem vote ji sécuriser seen vote bu leen jaawee nag bulletin yi parce que xam nga gars yi même photo yi sax mën nañu ko jaxase benn la ci bulletin yi marron beige

le travail va être accéléré. Je vous remercie, je vous remercie.